le forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Il est 18h15 au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birni Gauré, Chirozérine, Magaria, Mainesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. Le forum de ce jour rend hommage à la femme qui célèbre ce mercredi 8 mars la journée sa journée internationale. Pour cette édition 2017, le thème national retenu au Niger est autonomisation économique de la femme, quelle contribution pour l'atteinte des ODD, objectifs du développement durable. Dans cette lancée, le studio Kalango a aussi retenu le thème de l'autonomisation de la femme du Niger en lien avec l'agriculture familiale. C'est le thème du forum. Selon un ouvrage intitulé Comprendre l'agriculture familiale du Centre technique de coopération agricole et rurale CTA, l'agriculture familiale rassemble une grande partie de l'humanité et un milliard de celles-ci ne disposent que d'un outillage manuel euh, pour produire. Au Niger, l'agriculture constitue le principal moyen de subsistance et la principale source de revenus de la population rurale du pays, 78,3% selon les statistiques de l'INS de 2013. Dans la très grande majorité des cas, elle est pratiquée dans le cadre des petites exploitations familiales d'une superficie comprise entre 1 et 4 hectares et combinant la pratique de plusieurs activités économiques rurales. L'agriculture familiale, c'est la famille communauté de production c'est une production basée sur une main-d'œuvre familiale, non salariale et une diversification des activités. Les questions que l'on se pose et auxquelles nos invités vont répondre, c'est en quoi cette agriculture peut être une source d'autonomisation pour la femme, la femme qui n'a qu'un lopin de terre à côté de l'exploitation familiale, un lopin qu'on peut lui arracher à tout moment puisqu'elle n'est pas la propriétaire. Même au cas où ce lopin lui revient définitivement, comment l'exploiter et gagner sa vie en ce temps de changement climatique où les terres en grande partie sont lessivées Qui sont les cibles et les autres acteurs de cette autonomisation en lien avec l'agriculture familiale Quelle est la pratique de l'agriculture familiale et en quoi est-ce qu'elle peut rendre autonome la femme Y a-t-il des femmes qui sont réellement autonomes euh, de par la pratique de l'agriculture familiale Quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut retenir alors, pour en débattre, nous avons invité des acteurs qui sont au cœur du concept. J'ai à ma gauche M. Ousmane Amadou, qui est démographe au ministère de la Population. Ben, bonsoir, M. Ousmane. Bonsoir, M. Merci d'être venu. Il y a aussi M. Traoré Ousmane, du programme de développement de l'agriculture familiale, le PRODAF. C'est cela, non, M. Traoré Absolument, merci. Bonsoir et merci d'être venu. Merci. Chers invités, merci une fois de plus de venir euh, nous, accompagner pour ce forum. Le forum du studio Kalangu, c'est un espace d'échange, de dialogue pour informer et édifier les auditeurs. Un échange, une discussion dans le respect de l'autre, c'est en clair la force des arguments qui doit prévaloir. Alors, euh, pour euh, commencer avec le thème, l'autonomisation de, la femme en lien avec l'agriculture familiale, je vais commencer avec notre démographe au ministère de, de la population, M. Amadou Ousmane. je vais juste vous demander d'abord, c'est quoi cette agriculture familiale-là et comment peut-on la définir justement en lien avec euh, la femme Et en quoi est-ce que le source de richesse pour la femme Ok, merci. L'agriculture familiale. Euh, merci, monsieur, euh, monsieur Momoni. L'agriculture familiale, pour moi, c'est cette agriculture qui a existé et qui existe encore dans un cadre traditionnel, où en tout cas euh, elle s'appuie sur la main-d'œuvre familiale, comme vous l'avez dit en introduction. Donc euh, la famille, le chef du ménage ou le père de famille s'appuie sur ses progénitures pour la production, comme force de travail, comme main-d'œuvre familiale, comme vous l'avez dit. Et c'était anciennement et même aujourd'hui d'ailleurs, une agriculture de subsistance. son, objectif, son objectif, juste pour manger. Oui, son objectif, c'était essentiellement de pourvoir aux moyens de subsistance de la famille. Mais bien sûr, avec le temps, cette euh, agriculture s'est progressivement modernisée. Oui. Ici, au Niger, c'est aussi ça le constat. Même, si, même si au Niger, elle n'a pas connu une grande, une modernisation à grande échelle, quand même aujourd'hui, personne ne peut rester insensible aux mouvements, aux mutations qui se sont opérées depuis. Donc, Mutation, euh, la, donc la définition de l'agriculture euh, en votre entendement, peut-être un complément avec euh, Traoré Ousmane du FIDA Oui, du <laughs> oui, du hum. le programme de développement de l'agriculture familiale. Merci, Monsieur Momoni. Moi, je, je... rappelle que vous êtes assistant technique. oui, oui, je suis assistant technique national. Je suis chargé du volet financement rural. Et nous, chez nous, euh, euh tout ce qui est en lien avec la, la femme, en tout cas l'agriculture familiale, c'est un sujet transversal. Et donc, euh, à ce titre, nous, on peut chacun peut en tout cas intervenir là-dessus. Le, le, complément que j'ai sur euh, la définition qu'a donnée Monsieur Ousmane, c'est par rapport à à l'apprentissage que offre, c'est-à-dire l'agriculture familiale au-delà que, euh, que c'est une, une main-d'œuvre familiale qui est là, qui est utilisée, mais il y a l'expertise qui est vraiment retenue et transmise de, de génération en génération. C'est un élément que une étude qu'on a commandité a démontré que euh, ces techniques-là ne sont pas en tout cas, on n'a pas beaucoup évolué. Hein, c'est mm, quoi technique ces techniques et comment ça se pratique Bon, euh, d'abord les, outils. Les outils sont restés euh, rudimentaires. C'est la daba, c'est la roue. Euh, bon, bien que monsieur Ousmane selon, les zones, selon, les, zones, selon les régions, parce que nous nous intervenons dans la bande agro-silvopastorale de Maradi, Tawazender, et dans cette zone, tu as principalement ces outils qui sont utilisés. Bon, il y a la mécanisation qui commence euh, de plus en plus parce que tu as euh, les, charrues et des bœufs qui, qui, qui, qui, font la culture atelique qu'on constate de plus en plus. Mais euh, comme je le disais, c'est vraiment cette euh, transmission de, de, cette connaissance artisanale que j'aimerais ajouter à, à, la définition qu'il a donnée, qui reste vraiment une, une unité de production familiale. C'est au niveau de la famille. C'est vraiment pour se venir à aux besoins de la famille au départ. et manger, le boire. <laughs> Manger, et, et arriver à, traverser la période de soudure. Parce que vous voyez, maintenant, les gens font la collaboration entre la culture privée et, les cultures irriguées pour pouvoir avoir une couverture. Euh, euh, tout au long de l'année. Euh, donc il y a la famille et le chef de famille c'est le chef de ménage, l'homme. Il y a les fils et puis il y a la femme. Absolument. Tous sont dans le même lot. Oui, euh, la femme euh, en milieu rural, elle occupe euh, une place importante et je dirais c'est le point focal, de, le, point le plus important parce qu'au-delà des activités ménagères et tout, on a constaté qu'au niveau de notre zone, en tout cas de Maradi Tawazender, les femmes, elles y sont au niveau de la culture familiale, elles participent. Tu, tu les vois sur les champs, elles maîtrisent les techniques, elles produisent donc, euh, c'est vraiment une. une euh, dans, les champs de leur mari oui, ça c'est une question très pertinente parce que euh, la question de, de, la terre, c'est une question <laughs> très très très très très très cruciale dans, dans cette zone-là où tu as la démographie qui, qui est là, tu as les lotissements qui qui, qui bouffent les parcelles, et donc tu as la, la, la chérité des parcelles. Donc les femmes très souvent elles héritent les terres ou en tout cas euh, quelques femmes arrivent à acheter. C'est-à-dire les femmes ont véritablement des problèmes à, à avoir leur propre terre pour produire. Mm, on va revenir sur cet aspect, mais le temps de demander à Ousmane euh, Amadou, du démographe au ministère de la Population, mm. et quelle est la part de la femme dans l'agriculture familiale Quelle est sa place Oui, avant de répondre à votre question, permettez-moi parce que bon, vous avez quand même, euh, j'avais des idées que je voulais véhiculer là. Bon, vous avez balancé le micro. J'aimerais revenir un peu euh, sur le lien entre cette agriculture familiale et les questions démographiques. Je suis un démographe avant tout, il y a un rapport qui est là ah ah entre cette agriculture familiale et la croissance démographique. Vous avez dit que c'est une agriculture qui se pratique aujourd'hui sur des lopins de terre, mais avant c'était sur des grandes superficies. Mais c'est la pression démographique qui a mis à mal cette agriculture familiale. Aujourd'hui, les terres, suite à la pression démographique, les terres deviennent de plus en plus rares. Il n'y en a plus. La terre, la population augmente, mais la terre, elle, elle n'augmente pas. Donc il y a un problème entre l'accroissement de la, de la main-d'œuvre familiale même et la superficie exploitable. Ce qui fait que vraiment il y a des difficultés qui sont là aujourd'hui et qui amènent avec l'individualisation. Au départ, c'était une agriculture pratiquement collective. Toute la famille, les enfants, la femme, le père, tout le monde sous l'ordre du chef de famille travail. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des enfants qui se, qui se, qui se libèrent, même, père, même mère. Donc, euh, on demande à partager avant même que le père, le père de famille ne meure. Donc, il y a un morcellement qui est là. Et ce morcellement-là, chacun est appelé aussi à avoir une famille qui s'agrandit. Et le, pain de terre que vous avez hérité, si vous ne menez aucune activité, ne vous permettra pas de subvenir donc sur la base de sa production aux besoin de votre propre famille. ça, c'est pour ceux qui héritent, généralement hein. les hommes, hein, pour le cas du Niger. pour venir pour à la, femme. Mm. Pour venir à la femme, effectivement, la femme a évolué dans ce système d'agriculture familiale, traditionnellement, et continue aussi à l'être. Et elle le faisait traditionnellement, même si elle était mobilisée au même titre que ses enfants comme main-d'œuvre familiale. Elle avait son petit lopin de terre qui est là, qui lui permet de produire à côté du, sang, du grand champ collectif. Elle a son lopin de terre qui lui permet de produire, elle fait ses petites cultures euh, de sésame, de l'oseille, du maïs, mm-hmm. et donc des cultures d'appoint alimentaire mm-hmm. pour la famille. Mais aujourd'hui, et ma foi, ce problème-là se pose. Cette, euh, euh, le point de terre-là constitue une problématique aujourd'hui. La femme, comme il l'a souligné, c'est l'accès à la terre même le problème aujourd'hui. Mm. La terre devient problématique même pour les hommes à plus forte raison pour la femme qui est considérée, c'est pas que je la néglige, mais qui est considérée comme quelqu'un qui va aller ailleurs. Elle va être, est appelée à se marier et aller chez son mari. Donc, il y a un problème d'accès à la terre qui se pose, qui se passe. Si c'est pas aujourd'hui de nos jours même, au départ, la femme, même dans le partage, on considère qu'elle va aller chez quelqu'un d'autre. Donc, elle n'a pas, droit à, Mais c'est quand même le support de l'autonomisation de la femme, la terre. Aujourd'hui. Nous allons y revenir sur cet aspect. Peut-être que euh, M. Traoré du Prodav va donner quelques exemples, quelques illustrations sur cet aspect de l'open de terre qui devait revenir à la femme, qui n'est pas un droit. On lui donne parce que, bon, il faut lui donner en attendant. Euh, comment se pose la situation dans les zones dans lesquelles vous intervenez, Maradi, Zender, Tawa euh, Bon, euh, moi, spécifiquement, euh, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que l'accès à la terre est, problématique sur ces zones-là et nous, nous travaillons essentiellement là-dessus pour permettre justement. Est-ce que la femme a accès à la terre là-bas C'est ça, l'accès à la terre, la femme a accès à la terre, mais des fois, la partie qu'elle a, euh, c'est un petit lopin de terre. D'abord, euh, je peux donner l'exemple à Maradi, par exemple, les, surfaces sont, sont, très petites. C'est pas les 4 hectares ou 1 hectare, là, c'est 0,25 hectares que vous avez, c'est 1000 mètres carrés. C'est vraiment une terre très morcelée. Et c'est dans ça que la femme, peut-être, va avoir, euh, je sais pas, 250 mètres carrés à exploiter. Et vraiment, l'accès à la terre est, est, un problème véritable pour les femmes dans la, dans la zone rurale. Ça, c'est un sujet qu'on peut débattre euh, pendant plusieurs <coughs> heures. Et... Oui, puisque Traoré, vous parlez de, de Maradi, nous allons y rester avec euh, ce reportage que notre reporter euh, nous a fait justement sur la femme qui est marginalisée, en ce qui concerne l'accès à la terre, même si cela lui revient de droit. Selon certaines traditions, étant mariée, Ousmane l'a dit, et à la fois à la charge de son mari, la femme n'a nul besoin de terre pour cultiver. Mais depuis quelque temps, des mentalités commencent à changer. À un village situé dans le département de Madarufa, le reportage de Mohamed Maman. Les femmes rurales font face depuis longtemps à une interdiction ancestrale, celle qui consiste à leur refuser le chien qui leur revient de droit à travers l'héritage. Madame Indo, la soixantaine du village de Sarkiyama, clame son désarroi. Plusieurs fois, ses frères lui ont refusé sa part d'héritage. Avant, j'ai réclamé, mais je n'ai pas eu gain de cause. Et maintenant aussi, si cela serait possible, je voudrais qu'on seul et me donne ma part d'héritage. Je vais disposer comme chacun de mes frères de mon lopin. J'ai à plusieurs fois fait la requête, mais on ne m'a pas donné. Et je ne vais pas, pour des biens d'ici bas, tirailler auprès des autorités et me disputer avec mes frères. Tout le monde veut hériter la terre de ses parents. Il faut cultiver pour pouvoir si tu n'as pas de champ, tu es obligé de louer un lopin à 000 francs. Mais si tu as ton champ, quelle que soit sa superficie, c'est mieux. Dieu merci, les gens m'aident quand ils produisent. Mais avant que quelqu'un ne te donne, vaut mieux que tu aies ton propre bien. Pour mettre ces femmes discriminées dans leurs droits, plusieurs partenaires militent en leur faveur. C'est le cas du projet Femmes et Terroir qui, à travers ses activités de sensibilisation, a permis depuis quelque temps de renverser la tendance. Mademoiselle Halima Amadoumeina, assistante technique du projet Femmes et Terroir. On a 1245 femmes qui détiennent leurs actes à travers l'achat et puis l'héritage. Nous, on a recensé les femmes détentrices des terres et on les a appuyées à avoir leurs actes. Le dernier changement et le plus grand changement qu'on a observé, c'est vraiment au niveau de certaines femmes qui ont commencé à déjà réclamer leur droit d'héritage. À Sarkiaman, Rahamou a osé braver la coutume en demandant sa part d'héritage. Toute souriante, elle est fière de nous raconter son histoire. Avant, nous n'avions pas compris. Nous laissons les champs aux hommes et nous ne demandions pas le partage de terre. C'est ainsi que je me suis décidé d'aller voir mon frère et lui demander si j'ai le droit d'avoir mon champ. Mon frère n'a pas refusé. Il m'a montré la part qui me revient dans le champ laissé par notre père. C'est un demi-hectare qu'il m'a donné. Maintenant que j'ai mon champ, je peux souvenir à tous les besoins. Il y a vraiment un changement. Mohamed Maman depuis Maradi pour le studio Kalangou. Voilà un reportage de notre correspondant dans la région de Maradi sur la femme et l'accès à la terre, Monsieur Ousmane Amadou du ministère de la Population. Vous avez suivi ce, reportage et j'avais posé aussi la question de l'accès à la terre. Mhm. Ce n'était pas bien assimilé. Que, dit le ministère sur l'accès à la terre Bon, nous nous sommes euh, femme. le ministère de la Population œuvre pour euh, l'égalité pour tous les citoyens dans tous les domaines, aussi bien dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine de la scolarisation, dans le domaine de tous les biens, l'accès aux biens de production. En tout cas, nous, nous œuvrons pour qu'il y ait accès équitable. La femme n'a pas choisi d'être femme. Et, et, par conséquent, elle doit jouir aussi des mêmes droits. Et nulle part, il n'est prescrit que l'homme est plus important en tant que créature que la femme. Elle doit jouir des mêmes droits. Ils sont issus, ils sont issus de, la même famille. Il n'y a pas de raison qu'on donne l'héritage aux hommes et qu'on refuse à la femme. Justement, d'où vient cette idée et Cette idée vient, en tout cas au départ, c'est lié à l'esprit, à, à la tradition. Parce que souvent même, ce n'est pas l'islam, c'est nos pratiques, nos coutumes, qui, dont on a souvent euh, tendance à confondre avec les pratiques et les traditions. L'islam n'a jamais dit ça. Elle a établi les règles d'héritage. Elle dit que la femme, l'homme a droit à deux parts, la femme a droit à une part. Mais, comme vous avez suivi à travers le reportage, carrément, on considère que la femme n'a même pas droit. Parce qu'on considère qu'elle, elle va aller, comme je l'ai dit, chez son mari. Donc, elle va trouver son pain de terre là-bas chez son mari. Et la raison, l'une des raisons aussi, c'est que les frères de cette femme-là disent, au cas où son mari la répudie, elle va revenir et c'est le même frère qui va lui donner la même, le même le pain de terre pour exploiter. Donc, c'est pas la peine que. Voilà, c'est une véritable problématique. Mais en tout cas, selon les lois, la femme et les mentalités, heureusement, sont en train d'évoluer, comme il l'a dit. Mm. Et ces mentalités sont en train d'évoluer. Aujourd'hui, la femme, en tout cas, en cas d'héritage, on lui donne sa part en respectant les prescriptions de l'islam à la matière. Monsieur Traoré Ousmane, du PRODAP. Euh, pour vous qui intervenez dans cette zone, euh, comment vous percevez cette pratique euh, qui consiste à dire que la femme n'a pas accès à la terre Comment vous avez pu aborder Parce que même si vous n'êtes pas le seul intervenant, il y a quand même des évolutions, des mentalités. Aujourd'hui, la femme, a, même si c'est encore minime. Non, c'est vrai que c'est un challenge énorme pour nous. Euh, et on a mis l'accent sur ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale, c'est vraiment l'information, sensibilisation par rapport à la compréhension, comme il a si bien défini, d'abord de comprendre que c'est pas l'islam qui prédit ça, c'est juste les coutumes, c'est les traditions, et il faut comprendre que la femme doit occuper une place vraiment importante et essayer de faire ce partage la plus, de façon plus équitable et lui donner vraiment son droit pour qu'elle puisse produire. Parce que justement, ces femmes, euh, euh, des fois, quand elles reviennent, après le mariage, quand elles sont divorcées, elles reviennent, elles deviennent vraiment une, force vive, productive au niveau du foyer. Et ça montre que si dès au départ, elles ont cette capacité de, ou en tout cas les facteurs de production disponibles pour produire, c'est des femmes qui, qui seront autonomes parce qu'elles sont prêtes à, à bien produire, elles, savent bien épargner. Pour la petite histoire, nous, on a notre volet financement rural. C'est un mécanisme à coût partagé. Euh, donc, il y a un apport personnel, il y a une subvention et il y a un crédit. Mhm. on va revenir sur ce financement. D'accord. Mais sur cet aspect homme-femme. Hein, <coughs> Maradi, c'est une zone où la polygamie est très développée. Est-ce qu'elle a un impact sur euh, elle enfonce davantage la femme ou bien c'est l'homme qui en profite euh, la démographie. L'aspect polygamie. L'aspect <laughs> la démographie qui est la conséquence de la la, L'aspect polygamie, c'est un sujet très très sensible et je dirais que en tout cas ça ça, ça n'aide pas beaucoup euh, le développement. Nous acteurs de, de, développement, c'est un frein par rapport à, au challenge de, de, la pression démographique dont on disait par rapport au morcellement qui est dû justement à cette euh, démographie galopante, euh, mais aussi, euh, des fois, ces femmes, elles, quittent le foyer, elles partent. chez le mari, après divorce, elles, deviennent des, cas vraiment où nous, on, les, aide à travers des filets sociaux carrément parce que là, elles reviennent dans le foyer, dans la maison vous mettez l'accent sur quoi pour, la faire sortir <laughs> bon, euh, carcan euh, Voilà, on a, on a des paquets d'activités. Euh, on commence par tout ce qui est structuration et organisation à travers l'alphabétisation, à travers ce qu'on appelle les champs écoles paysans. Les champs écoles, c'est pour les femmes qui n'ont pas l'habitude de produire, on, les, on, les, on les éduque, c'est comme des classes d'apprentissage des, des, techniques agricoles pour qu'elles produisent mieux. Il y a ce qu'on appelle les appuis aux agères parce qu'on sait que les femmes, elles ont dans, le, dans la chaîne de valeur, elles ont la position surtout transformation, commercialisation. Donc on essaie de les appuyer sur, avec des petits montants pour qu'elles puissent euh, produire, pour qu'elle puisse transformer les, produits agricoles et les vendre, par exemple les beignets mmh, et, des, trucs comme ça. Mmh. Et il y a, y a les, appuis avec des kits agro-pastoraux, c'est-à-dire c'est des petits ruminants qu'on distribue, c'est de la volaille, c'est des intrants qu'on leur donne, c'est des greniers féminins même de soudure qu'on fait globalement, euh, dans lequel ils peuvent, elles peuvent euh, stocker les entrants à un moment ou, même les, céréales et les faire ressortir après et les vendre avec euh, des petites marches Ou en tout cas donner aux autres femmes pour qu'elles puissent euh, utiliser et couvrir la, la, période de soudure. Monsieur Ousmane, du ministère de la Population, quelle est l'ampleur de, la situation Est-ce que c'est en fonction des zones ou bien c'est tout le pays L'accès, la difficulté pour la femme d'avoir son lopin de terre pour cultiver merci Momoni. Bien sûr, euh, euh, c'est l'accès, la problématique de l'accès à la terre, c'est dans tout le pays, mais c'est à des degrés différents. Ça varie selon, les, régions, selon les zones. Dans les zones de production de forte concentration humaine, comme la région de Maradi ou de Zander, le problème ou de Dosso, le problème se pose avec acuité. Parce que là, vraiment, c'est des zones non seulement de production agricole, mais aussi c'est des zones de forte densité humaine. Et du fait de cette pression démographique dont on a fait cas, et du fait même de cette euh, polygamie qui accroît la vulnérabilité de la femme. La polygamie accroît la vulnérabilité de la femme. Parce que plus elles sont nombreuses, plus elles auront beaucoup d'enfants et plus le morcellement devient problématique. Et en cas de répudiation, souvent, comme elle l'a dit, elle se retrouve chez sa famille d'origine, souvent sans le pain de terre. Heureusement qu'ils interviennent à travers les filets sociaux et bien d'autres euh, partenaires qui interviennent pour essayer de euh, mettre un peu les femmes à l'abri et essayer de les, par ricocher, de les autonomiser. Mais sinon, c'est un problème très sérieux, mais qui, est plus. qui, qui, sévit avec plus d'acuité dans la région de Maradi et de Zander. Mm. Donc l'agriculture familiale, c'est un problème hein, déjà, mais tout de même, les politiques veulent que, que l'on s'appuie sur cette agriculture pour pouvoir autonomiser la femme, pour qu'elle soit, disons, autonome et à la limite même indépendante. Mm-hmm. Comment cela se fait-il Nous sommes d'accord que, en tout cas, euh, la femme, aujourd'hui nous sommes le 8 mars, c'est vraiment journée de la femme, et cette question d'autonomisation de la femme est d'actualité. Et nous sommes d'accord que euh, la femme, son autonomisation doit passer par l'accès à la terre, parce que l'essentiel de la population nigérienne est rurale. L'autonomisation à travers les grandes entreprises modernes que nous connaissons pour la femme, ce n'est pas évident mais à travers la terre, étant donné qu'elle évolue en milieu rural. Et même si les, le pain de terre, le pain de terre qu'elles arrivent à avoir, si elles arrivent à avoir l'appui comme il l'a souligné, si bien souligné, elles peuvent s'autonomiser. Vous, avez, vous êtes du ministère de la Population, vous avez une politique dans ce, concernant l'autonomisation Oui, on a une politique d'autonomisation. Vous savez très bien que cette politique d'autonomisation s'inscrit dans le cadre global de la protection sociale. Et qui parle de protection sociale parle aussi de l'agriculture pour le monde rural et de la politique de protection sociale. Et dans la politique même du programme de renaissance, du programme de développement économique et social et du programme de renaissance, toutes ces préoccupations-là sont incorporées. La femme, les, jeunes, donc, euh, ont un volet spécifique et cette question d'autonomisation de la femme a amené les, autorités à créer un ministère d'autonomisation de la femme, de promotion de la femme. Et il y a des actions qui sont menées, ça fait des années, à l'endroit comment vous encouragez Ça On encourage donc euh, cette autonomisation à travers des, activités comme les filets sociaux. On donne donc euh, les, les crédits vaches laitières on donne un peu de, des moyens pour permettre aux femmes de s'autonomiser, mais si on veut rester dans le cadre de la terre, avec même les moyens qu'on leur donne, les, chèvres, les brevis les vaches laitières, elles essaient de reconstituer un petit cheptel qui est un moyen de survie et qui supporte, qui soulage les familles en cas de difficulté. Nous sommes, n'oublions pas que nous sommes dans un contexte où l'environnement est et, lui-même constitue une vulnérabilité. On va prendre un cas pratique avec euh, Traoré Ousmane qui intervient sur le terrain à travers le. Euh, vous intervenez à travers le PRODAF. Concrètement, comment est-ce que euh, cette politique se concrétise, pour me répéter, sur le terrain Prenons le cas de Maradi ou bien de Zender où l'accès déjà est très difficile. Oui, nous dans notre zone d'abord, les, femmes et les jeunes, ce qu'on fait, on a un système de quotas pour commencer, c'est-à-dire euh, dans toutes les activités que nous menons, nous essayons d'avoir 30% de femmes et 30% de jeunes, en tout cas autant que possible, pour quand même ne pas les mettre à l'écart des, bénéficiaires, parce qu'on sait que, euh, par exemple, si tu veux faire de la culture, comme, comme euh, euh Monsieur Ousmane l'a si bien dit, il faut d'abord avoir la terre. Et si l'accès à la terre est un élément difficile, il faut que les, intervenants puissent faciliter cela. Donc, euh, euh nous, nous, avons des, des partenariats avec euh, les, commissions euh, chargées de euh, comment on appelle ça, les COFODEP et les COFOCOM, qui sont les, commissions qui sont chargées du foncier au niveau, au niveau départemental ou au niveau communal. Et avec ces structures, nous essayons de, de, faciliter la sécurisation des terres des femmes parce que une fois qu'on leur dit c'est votre lopin de terre, on ne sait que ce, lopin de terre vraiment. lopin déjà leur, leur appartient. Comment est-ce que c'est possible Non, mais euh, on a, on a dit précédemment qu'elles elles ont accès à ces terres et même dans, dans le, le, comment on appelle ça, dans la bande que vous avez passée, il y a, la dame disait qu'elles ont accès à la terre à travers les achats ou l'héritage ou la location. Et nous, nous disons que euh, une fois que cela est acquis, il faut sécuriser parce que les femmes, elles restent vulnérables même quand elles ont sur le planétaire. que Parce qu'après, elles vont se marier, elles quittent, elles n'ont plus droit à la terre ou des, en tout cas des problèmes comme ça peuvent, advenir. et pour vraiment pallier à cela, on, parle jusqu'aux actes français ou en tout cas euh, avoir un papier légal formel qui montre que ça, c'est une détention de la femme et elle peut l'utiliser comme elle veut. C'est un une réalité dans vos hommes Oui, c'est difficile, mais c'est une réalité qui, est là parce que je voulais parler du mécanisme à coût partagé dont vous avez dit on va parler après. Euh, mais pour produire euh, sur ces terres euh, euh, et, et, rembourser des crédits et consorts, il faut produire sur, un, sur une terre vraiment dont tu, tu, détiens la propriété. Sinon, c'est difficile. Tu vas commencer la production, quelqu'un peut venir dire bon, moi, il faut arrêter la production. Et donc, du coup, on est obligé à travers ces, conventions et ces partenariats-là de, permettre aux femmes justement de, de, de formaliser en tout cas l'accès à ces terres-là. On va voir un exemple concret à travers euh, Dosso, dont Ousmane en a cité quelques cas. La culture de contre-saison là-bas est devenue de nos jours une activité génératrice de revenus. À Kardibangou, village situé à 32 km de Dosso, beaucoup de femmes arrivent à subvenir grâce à cette activité. Madame, Madame Karima, veuve depuis 20 ans, est un exemple. Notre reporter euh, Daoud Hassan l'a rencontré dans son jardin. Son reportage. Assise à l'ombre d'un manguier dans un coin de son jardin, Madame Karima observe avec satisfaction ses jeunes plants de choux, de salades et de carottes. Cette veuve d'un peu plus de 50 ans a su élever ses quatre enfants grâce à cette activité qu'elle pratique depuis bientôt 20 ans. Le père de mes enfants nous a quittés il y a de cela 20 ans. C'est dans cette activité de culture maraîchère que j'ai pu subvenir aux besoins de mes enfants. Aujourd'hui, ils sont tous arrivés. Nous cultivons des pommes de terre, des choux, des salades et de la tomate. Grâce à ces résultats remarquables, Madame Karima s'est acheté un autre jardin dans lequel elle fait toujours les maraîchages avec le soutien de ses enfants et celui du service de l'agriculture. C'est notre propre effort, celui du service de l'agriculture et également la FAO. De temps en temps, ils nous viennent en aide. Les bénéfices et incalculable. Ce sont mes enfants qui m'aident, si ce n'est pas pour louer une charrette afin de prendre de l'engrais pour les sols du jardin, on n'engage pas de manœuvre. Madame Karima est aujourd'hui une femme comblée. C'est aussi un modèle à suivre pour les milliers d'autres femmes qui ne savent quoi faire face à la pauvreté. Daoud Hassan depuis Dosso pour le studio Kalangu. Voilà, le, notre reporter de Dosso Daoud Hassan sur un exemple d'une femme euh, comblée, comme il a dit, une femme modèle pour euh, celle qui encore végète dans la pauvreté. En tout cas, Madame Karima s'est illustrée à travers la culture de contre-saison. Est-ce que cet exemple est très partagé dans le pays, euh, Monsieur Ousmane, euh, Ousmane Amadou du ministère de la Population Peut-on parler d'impact déjà oui, euh, merci. par l'idée d'autonomisation avec cette agriculture familiale. Oui, merci, monsieur Momoni. Effectivement, cette autonomisation de la femme, c'est à travers même ces cultures de contre-saison. Ce n'est pas à travers l'agriculture sous pluie, véritablement. Parce que l'agriculture sous pluie, comme on l'a dit, elle est sujette aux caprices climatiques. C'est vraiment avec euh, l'agriculture de contre-saison ou les cultures de petite irrigation que véritablement les femmes peuvent s'autonomiser, sont en train de s'autonomiser même. Donc, à travers ces. Et comme, Vous avez des données euh, Bon, malheureusement, j'ai n'ai pas, pas de données statistiques euh, là-dessus. Mais il y a quand même. Euh, la, la vue qu'on a de la situation, c'est que dans toutes les régions, en tout cas, où les conditions le permettent, les conditions, parce que pour parler d'agriculture de contre-saison, il faut qu'il ait l'accès à l'eau dont on n'a pas fait cas, qui est un élément important aussi. On ne peut pas parler de cette autonomisation de la femme à travers la petite irrigation ou à travers les cultures de contre-saison sans évoquer le problème d'eau, qui est un problème crucial aussi dans beaucoup de zones. Même si l'eau de pluie est rare, on sait qu'il y a de l'eau de souterraine, mais il faut la faire remonter en surface. Et souvent, c'est ça la problématique. Les femmes sont courageuses, comme elle l'a dit, elles sont déterminées donc, euh, elles s'autonomisent malgré les difficultés, mais elles ont besoin d'un appui, d'un appui en équipement, donc euh, pour pouvoir accéder facilement à l'eau et pour pouvoir faciliter aussi les soulager dans cette euh, tâche quand même. Alors, Ousmane parlait d'appui aux femmes. Vous, vous intervenez dans plusieurs régions, en tout cas trois grandes régions du pays. Et comment est-ce que concrètement euh, l'impact se ressent Est-ce que c'est à travers la culture de contre-saison ou bien à travers euh, euh, l'hivernage, la culture d'hiver oui, comme, comme l'a dit M. Ousmane, justement. <laughs> oui, M. Moumouni, merci. je disais, comme l'a dit M. Ousmane, sur la, petite irrigation, la petite irrigation euh, est vraiment la solution. Et c'est pour cela que les autorités euh, actuelles ont, mis l'accent là-dessus. Et nous, euh, par exemple, dans l'exécution du PRODAF, on a 8000 hectares à faire, de, de 7500 en petite uniquement. Au profit des femmes Pas uniquement les femmes, mais dans les femmes. Et, l'accès à l'eau est, aussi une problématique, mais que nous gérons. Parce que, euh, euh, en termes d'appui concret, dont vous dites, euh, dans les filets sociaux, on, fait les puits, on fait les forages, on, on facilite en tout cas l'accès à l'eau. Mais aussi, il y a l'autre, parce qu'il y a des femmes c'est des paliers. Il y a des femmes qui sont moins vulnérables que les autres en fonction de leur euh, statut social ou de leur mari ou en tout cas euh, dans la société. Et du coup, elles, elles rentrent dans un autre mécanisme qui, lui, ce n'est pas une subvention à 100%. C'est un mécanisme dont elles vont euh, faire un besoin bien détaillé et dire que moi j'ai par exemple 0,5 hectare ou 1 hectare, je veux faire la production de la carotte, du chou ou, de la tomate et j'ai besoin d'une motopompe, d'un forage et d'un réseau californien de 200 mètres linéaires. Et à travers ce projet, ce projet peut, bon, ces projets sont entre. Quand je dis projet, c'est des demandes. Hein. des demandes soumises euh, euh, au, niveau de, des institutions financières. ces demandes sont entre 250 000 et, et 1 500 000. C'est assez suffisant. Euh, en tout cas, c'est le, besoin qui, ressort et ça arrive à justement faire ces investissements-là pour permettre l'accès à l'eau qui va permettre la mise en valeur justement de la, de la, parcelle. Parce que sans eau. Vous intervenez depuis combien, quelle année euh, Le FIDA intervient au Niger depuis 30 ans. Mais le PRODAF, lui, il a commencé. Euh, il n'y a pas longtemps, en 2015, et là, il est là sur 8 ans, jusqu'en 2023. Et euh, comme je le disais, on a l'intention de faire euh, 7500 euh, hectares en, termes de petite irrigation et aussi il y a des aménagements hydro-agricoles qui sont à l'échelle communautaire et là les femmes aussi sont, ont une place de choix pour, pour Monsieur Ousmane a essayé de mesurer l'impact euh, de, cette autonomisation qui, essaie de se faire voir est-ce que vous avez de quoi mesurer euh, euh, la participation de la femme, l'autonomisation, justement à travers vos interventions euh, Oui, tu sais, quand on fait la formulation d'un programme, justement, il y a ce qu'on appelle un cadre logique qui fait sortir des indicateurs. Et dans ces indicateurs-là, justement, on a plusieurs indicateurs, comme d'abord, comme je le disais, les quotas, là, c'est très important. par exemple, l'accès à l'eau on va mettre 30%, euh, minimum 30% de femmes doivent avoir accès à l'eau dans une zone bien définie. Par exemple, si, nous intervenons sur une commune et qu'il y a, je sais pas, 100 femmes, femmes euh, ou 5 000 personnes dedans, dans, la zone, on veut que 30% aient accès justement à, à cet équipement-là. Et à travers nos activités, nous essayons de mesurer. Euh, il y a tout un dispositif de suivi et évaluation au sein du programme qui, sont là. ils ne sont là que pour justement récolter les données et pouvoir nous renseigner à la fin du projet pour nous dire que vous avez atteint ces indicateurs-là euh, pour les femmes, mais aussi pour les jeunes et pour la population euh, de, façon de façon générale. <clears throat> Monsieur Ousmane, excusez-moi. <clears throat> Alors, est-ce que des textes soutiennent l'autonomisation de la femme bien sûr, un juridique, Bien sûr, les textes euh, soutiennent l'autonomisation des femmes. Vous n'êtes pas sans savoir que le Niger a pratiquement euh, ratifié toutes les conventions internationales. Hein. Les, conventions internationales, euh, la, sont la Convention sur la, protection et la promotion des droits de la femme, et dont celui de l'accès à la terre, donc comme les hommes, l'accès au financement aussi, et il y a une politique nationale genre que le ministère de la Population a élaborée en 2008, depuis 2008. Et cette euh, politique nationale genre renferme tous les aspects de, de protection, de promotion des droits de la femme. Toutes les insuffisances qui ont été constatées en ce qui concerne l'accès aux droits de la femme ont été prises en charge à travers cette politique pour un meilleur accès. Et l'objectif, c'est on travaille pour un meilleur accès, pour améliorer l'accès à ces femmes-là, à ces droits-là dont la femme a, comme les hommes. Donc, on est en train de d'œuvrer dans ce sens. Et au niveau national aussi, il y a des dispositifs juridiques qui ont été pris. qui, vont dans le sens du respect des, conventions internationales. Lorsque un pays adhère à une convention internationale, il lui appartient d'aménager un dispositif juridique interne pour permettre l'application de cette convention internationale Et, bien sûr qu'il y a quand même des difficultés, il ne faut pas aussi les occulter. Souvent, compte tenu du contexte particulièrement difficile, euh, socio-culturel particulièrement difficile, vous voyez souvent, même les lois, quand elles sont envoyées à l'Assemblée, souvent le gouvernement, les députés refusent de les adopter parce qu'ils pensent que le contexte ne le veut pas ou ils veulent, c'est pour des raisons de calcul électoral en réalité. Et, ils veulent maintenir leur électorat et ils ne veulent pas qu'on dise qu'ils sont à la base de ceci, cela. Alors qu'en réalité, souvent, il n'est que question de jouissance des droit. Hmm. Ça n'a rien à voir avec... textes, vous en connaissez est-ce que vous, euh, les utilisez sur le euh, terrain Oui, nous nous, inspirons de, de, de, tout ce qui est stratégie nationale, mais le programme aussi a une stratégie genre au sein du programme qui, elle, elle est basée sur les, les quotas que j'ai mentionnés, 30% de femmes et 30% de jeunes, mais aussi il faut une participation qualitative. C'est-à-dire au-delà d'avoir de respecter les, le nombre, il faut que la femme, par exemple, si euh, euh, c'est une instance de, de, de, de, décision, il faut qu'elle participe à la prise de décision. C'est pas juste qu'on dire pas facile. Et il y a aussi l'homme qui est en face qui, qui, qui, veut effectivement garder toute cette part de terre là. Quelles sont les résistances et, comment vous essayez de les euh, oui, y y a, c'est évident que c'est difficile et il y a une résistance euh, importante, mais il y a quelques femmes qui, qui, qui, ressortent du lot et que la communauté et même la zone dans laquelle elles sont, tout le monde reconnaît que vraiment cette femme-là, c'est elle qui mérite d'être trésorière ou bien c'est elle qui mérite d'être la SG parce qu'elle a eu une éducation importante ou bien parce qu'elle a confiance en elle, parce qu'elle a, elle a montré qu'elle est digne de confiance et tout. En tout cas, nous essayons à travers des, des sensibilisations, à travers travers l'alphabétisation dont je, je, disais tantôt, à travers euh, tout ce qui est euh, les organiser en organisation paysanne. Ensemble, elles sont plus fortes parce que ensemble, elles, elles, elles, sont très très solidaires et elles arrivent à faire émerger des leaders d'opinion. Est-ce qu'il y a une localité qui est un exemple en la matière euh, par exemple, si on prend la, la Chambre régionale d'agriculture de Maradi, aujourd'hui, c'est présidé par une femme. Euh, et c'est quand même Maradi, c'est une zone de, de, production agricole et la Chambre régionale d'agriculture qui est quand même une référence pour les producteurs. Ils ont, ils ont pris une femme comme présidente parce que c'est une femme qui, qui, a fait preuve de, de ses potentialités et de ses capacités. Euh, Monsieur Ousmane Amadou, vous qui êtes du ministère de la Population, il ne reste pas beaucoup de temps, un peu moins de deux minutes. Vous allez conclure en nous disant peut-être le message fort, sur quoi il faut mettre l'accent pour vraiment concrétiser cette autonomisation. OK. Et qui implique tous les acteurs. Oui, avant d'aller vers cette conclusion, permettez-moi de revenir sur le dernier élément-là. La femme là, femme. Madame les femmes, les femmes deviennent souvent chefs de ménage par les circonstances. Lorsque le mari décède, elles ont des enfants, elles se retrouvent dans une situation de vulnérabilité. S'il n'y a pas la terre, il y a des enfants souvent, les, cousins ou les frères, du, les, du mari du défunt s'accaparent la terre quand les enfants sont tout petits. On dit, bon, je vais garder quand ils seront grands, on va leur donner, on répudie la femme. Et voilà ce que ça fait. Et souvent, on se rentre dans une situation, on a un orgueil qui est là, on ne peut pas en réalité prendre en charge les enfants, mais on se dit, à cause de la situation sociale, que je préfère les garder que de les laisser avec la femme. Alors qu'en réalité, vaut mieux les laisser avec la femme et lui laisser sa terre, la terre de leur père, pour pouvoir euh, continuer comme elle est en train de le faire. Et Donc l'aspect, c'est beaucoup plus euh, mettre l'accent sur la sensibilisation, l'information. Et donc pour véritablement autonomiser les femmes, moi je pense qu'il faut d'abord qu'elles aient accès aux facteurs de production. C'est quoi facteur de production Facteur de production, il y a la terre. La terre, terre d'abord. Avoir accès à la terre, avoir ça, accès la, la à la terre. condition. Avoir Monsieur accès... Traoré, euh, Vous finissez comme agent de terrain, euh, acteur de terrain. Acteur de terrain. Bon, moi, je, je, je, vais dire que c'est vraiment la formation, l'éducation, la sensibilisation. C'est-à-dire il faut mettre l'accent sur tout ce qui est renforcement de capacité de ces femmes-là déjà, qui va les faire comprendre que... Que, faut-il dire à l'homme, rapidement <laughs> euh, L'homme, l'homme déjà, moi, je pense qu'ils ont commencé à, apprendre leurs leçons sur le terrain. Ils comprennent que c'est dans leur intérêt d'associer la femme et, et du coup, on on doit juste faire euh, euh, montrer par les actes montrer que les femmes vraiment voilà. sont, Traoré Ousmane du programme de développement de l'agriculture familiale pour PRODAF et monsieur Ousmane Amadou démographe au ministère de la population vous êtes vous étiez nos invités puisque l'émission prend fin à 18h59 minutes. Merci d'être venu et merci à vous chers auditeurs. On se retrouve demain pour une autre thématique. Bonne soirée.